jël fukki ponk ak Ben, muy ay dogal ngir mun a daara yu ko wi ci kanam ci lolu nak la taxawal université virtuelle du Sénégal ci septembre janvier mu démarré tambali won na am ñaari junne ak juróomi étudiants tay université bobu amna na fukki junne étudiants donc jafe na gis université mu gaaw à yaatoo te nag am na fayda ndax jamono bi ñu nekk jamono jëfandikoo jumtuwaayu jokkoo yi li ci am rek mooy ñu fexe gën ko dooleel dooleel ko moo di espace numérique ouvert yi ñu àggale ko équipé ko ñu jox leen tamit xale yi ñu fa yóbbu ñu nekk leen ñu tolloog ñaar fukki junni ak benn junni ñu jot seen ordinateur clé internet ak connexion bi ñu tamit yokk budget bi ndax le président de la République a pris la décision de créer en septembre 2014 l'université virtuelle du Sénégal. Les difficultés, ce sont les difficultés habituelles. L'université virtuelle du Sénégal est construite avec les espaces numériques ouverts. Il est fondamental d'avancer dans la livraison des espaces numériques ouverts. C'est cela qui va permettre aux étudiants de l'UVS de bénéficier du meilleur environnement et du meilleur cadre de travail. L'autre aspect, c'est aussi que ce retard que nous avons aujourd'hui de livraison des ordinateurs, des clés Internet et de la connexion Internet, je pense qu'il faut tout faire pour vraiment que ces étudiants de première année reçoivent leurs équipements et que le travail puisse commencer enfin, c'est que cette université qui, double pratiquement chaque année ses effectifs a besoin aussi de soutien au niveau budgétaire et au niveau aussi du recrutement des enseignants-chercheurs.